habitants de Kunungalam, victimes d'une prédation foncière, nous portons à votre attention le différent qui oppose les populations de Kounungalam aux aux qui visiblement veulent faire main basse sur les terres du village sans aucun fondement légal. On parle certes des héritiers de Djibril de Tchétchoun, euh, mais en réalité, ce dernier n'a aucun bien ni aucune parcelle au niveau de Kounoun pour lequel ses ses héritiers peuvent, se faire prévaloir. Kounoun est un petit village situé dans la banlieue nord de Rufisque, dans la commune de Bambilor, ex-communauté rurale de Sangalkam. Il est petit par sa taille, mais demeure le plus ancien village de la région du Cap-Vert, qui a vu naître toutes les collectivités, les villages les euh, euh, traditionnels que sont Tcharoy, que sont Ngor, Wakam, Yof. Depuis 2005, Kounungalam, qui était un havre de paix, vit une situation dramatique, voire insurrectionnelle. En effet, une famille est en train de tout faire pour détruire ce village en faisant main basse sur une assiette de 20 hectares. C'est en 2005. Déjà, que les héritiers de cette euh, famille euh, se sont présentés pour la première fois avec une délibération délibérée par le conseil rural de Sangalkam pour revendiquer effectivement ces terres. En son temps, nous, euh, nous les avons assignés en justice, nous avons remporté le procès et en première instance et en appel. Mais malheureusement, contre toute attente, en 2008, les mêmes héritiers, sous un autre nom, sous notre famille, se sont présentés à nouveau avec le même modus operandi. Il s'agit en réalité, sur la base d'un document administratif qu'on appelle communément certificat administratif, c'est un document de l'époque coloniale qui permettait aux occupants de faire valoir leur mise en valeur afin de régulariser leur, leur terre par titre foncier. Et malheureusement, en 62, après l'indépendance du Sénégal, toutes les terres qui n'ont pas fait l'objet d'immatriculation sont tombées sur le coup du régime de la loi sur le domaine national. Donc, ces certificats administratifs qui ne sont ni titres de propriété, n'ayant aucune valeur juridique, ne peuvent faire l'objet de titres de propriété. Et malheureusement, c'est sur la base de ces textes-là que ces héritiers, avec la complicité des collectivités territoriales qui leur ont délivré des délibérations au sein de leur, par conseil rural. Ici, pour le nommer, c'est le conseil rural de Sangalkam à l'époque parce que c'était la commune rurale de Sangalkam. En délivrant une délibération qui est un acte administratif qui foule toutes les lois sur l'administration, sur la décentralisation, sur la gestion des, des, terres. Parce que avant d'attribuer ou de faire une délibération sur un terrain, il faudrait d'abord que ce terrain soit d'abord libre d'occupation et qu'il n'ait jamais fait l'objet d'attribution. Or, ici, toutes les terres de Kounungalam, pour la plupart, faisaient l'objet d'affectation par voie de délibération par le même conseil rural de Sangalka. Donc ici, il y a manifestement une faute administrative parce que le même conseil rural ne peut pas délivrer sur des terres déjà affectées des délibérations sans au préalable que ces terres ne fassent l'objet de désaffectation. Or, euh, euh, euh, pour, votre information, aucune procédure de désaffectation n'a jamais été faite sur le moindre mètre carré sur cette zone. Alors, cette même communauté rurale qui a fauté en 2005 en, en délivrant une délibération de 60 hectares aux héritiers est revenue en 2008 établir une autre délibération. La première, c'était sur 60 hectares. La suivante, c'est sur 20 hectares. Imaginez-vous bien, à Dakar, à Kounoun où nous sommes, comment peut-on affecter de manière délibérée une assiette de 20 hectares à une seule famille sur, comme, euh, euh, euh, sur des terres déjà entièrement occupées Alors, il y a un problème. Donc, cette famille-là, il faut la nommer, c'est la famille, c'est les héritiers de Feu Djibril de Tchétchoun, qui était un inspecteur euh, euh, euh, des domaines et qui a subtilisé frauduleusement des documents au niveau de la conservation foncière pour, pour, établir ou pour revendiquer ces terres-là, qui en réalité ne, ne lui appartenaient même pas. Alors, cette famille, sur la base d'un simple CCOD, pour ceux qui ne savent pas, le CCOD, c'est la commission de contrôle des opérations domaniales, qui ne se décerne pas encore des titres de propriété, qui ne donne que des avis techniques. Sur la base d'un avis de la CCOD de 2005 concernant un terrain qui est situé à Mbaugar, c'est sur la base de cet avis de CCOD que les domaines de Rifusque ont voulu faire main basse sur 20 hectares, transférer les 20 hectares de, de à Kounoun ce qui, à, nos yeux, est une incohérence euh, euh, extraordinaire. Donc tout ça, pour résumer, euh, c'est constitutif de faux, de délit de faux et d'usage de faux. Et le défunt Djibril de Tchétchoun, avant sa mort, il a été pris la main dans le sac et les sommations par, devant huissiers sont là, dans lesquelles sommations il reconnaît que ces terres ne lui appartenaient pas, et donc, on lui a notifié que il était, les ventes de terre qu'il était en train de faire sont constitutifs de faux et d'usage de faux. Donc, aujourd'hui, ces héritiers-là, nous ne contestons pas qu'ils sont les héritiers de feu leur père. Mais ce que nous contestons, c'est que leur père n'a pas de parcelle de terre ici à Kounoun qu'il peut léguer à ses ayants droit. Donc, ce qui se passe ici, c'est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque donc cette famille, sur la base de faux, a pu se faire établir des documents au niveau des domaines de Rufisque avec l'ancien receveur, il faut le nommer, M. Ibrahim Abari, qui a foulé tout ça au pied et c'est en connaissance de cause qu'il a affecté frauduleusement ces terres. Et aujourd'hui, il n'ose même plus parler de lotissement de Dibril de Tchétchoun, il parle d'aménagement non autorisé de la famille Djibril de Tchétchoun. Comment un aménagement non autorisé peut faire, peut faire foi sur des terres qui sont déjà occupées par, euh, euh, euh, par les populations, pour la plupart avec des affectations régularisées par voie de délibération du Conseil rural. Mieux aujourd'hui, l'assiette en cause a été immatriculée au nom de l'État. Il s'agit du titre foncier 10303 r immatriculé au nom de l'État et avec comme charge néant. Ça veut dire que comme charge néant, ça veut dire que sur ce titre, l'État n'a cédé aucun mètre carré à qui que ce soit. Donc il n'y a aucun titre de propriété. Mais avec la complicité des domaines, ils se sont fait établir des plans euh, euh, avec euh, des attestations de bail pour certains et pour la plupart, ils ont des attestations de bail qu'ils ont déjà commencé à, à vendre comme de petits pains. Et si on y prend garde, et le président de la République ne cesse de le répéter tous les jours, le problème foncier a atteint des limites insupportables. Il ne s'agit pas de, le, le, constater, mais ce qu'il faut, c'est de prendre des mesures hardies. Et là, nous interpellons le président de la République sur ce fait. Kounoun et Bambilor sont devenus le Far West du Sénégal Ici, ce n'est pas la ruée vers l'or, mais c'est la ruée vers la terre. Et ça ne passera pas. Toutes les populations sont là aujourd'hui pour le manifestation. Et ça, ça ne passera pas. Donc nous disons halt, nous disons stop. Nous sommes des citoyens, nous occupons régulièrement nos, terres et l'État du Sénégal a le droit et le devoir de régulariser ces populations-là qui sont là assis sous une poudrière. Regardez ici tout ce que vous voyez derrière moi, c'est des habitations, c'est des occupations. C'est régulièrement occupé. Même si tel n'était pas le cas, l'État a le rôle et le devoir de, régulariser ces populations-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et Dieu sait que l'immatriculation de cette assiette, l'objet primaire, c'était d'installer les enseignants, les 1100 parcelles de la ZAC, et aussi de régulariser ce village. Parce que ce village-là vit une injustice qui ne dit pas son nom. On ne peut pas être le plus ancien village du Cap-Vert. Et un village, ce sont les concessions et les dépendances agricoles. Aujourd'hui, ces dépendances agricoles ont cédé aux habitations. Donc, c'est entièrement occupé. Il n'y a pas un seul mètre carré de libre. Donc, il faut que ça cesse. Et ces gens, ils doivent répondre de leurs actes. Je vous remercie. Comment Les recours judiciaires, est-ce que, fait, depuis lors Alors, les recours pour recours, il y a eu deux procès en 2005. Les populations ont gagné en première instance et en appel. C'était face à Abdou Salam Gueye, un, des, héritiers de la famille. Le deuxième procès a eu lieu en 2007. Imaginez-vous, ce procès, nous avions été assignés en flagrant pour occupation illégale de terrain dont autrui pouvait disposer en vertu d'une décision administrative. Laquelle décision administrative C'est ce fameux certificat administratif de l'école coloniale qui n'a aucune valeur juridique. Et euh, au tribunal, ils ont été déboutés parce qu'ils ont été incapables de prouver que nous occupions illégalement le terrain parce que nous avions chacun par devers nous un acte de délibération. Et mieux, c'était un, un terrain du domaine national qui était mis en valeur. Et eux, ils étaient incapables de produire un titre de propriété. Et la situation elle est la même aujourd'hui. Maintenant, avec l'immatriculation de l'assiette, les impôts et, domaines euh, euh, peuvent prendre de manière délibérée euh, des actes administratifs pour affecter des terres. Et ça, ça ne doit pas continuer, ça ne doit pas prospérer. Il faut qu'on arrête ça. Les personnes qui ont les personnes qui ont été assignées en démolition et en expulsion, c'est plus d'une centaine de familles déjà. Parce qu'en réalité, c'est une liste qui avait été déposée au service des domaines pour régularisation. C'est sur la base de cette liste-là que cette famille a servi des assignations aux populations parce qu'ils ne connaissent personne ici, ils n'ont aucune attache ici. Donc, ça veut dire que manifestement, il y a collusion quelque part entre cette famille-là et les services des impôts et domaines. Alors, il faudrait que cela, c'est un préjudice encore grave, parce qu'il s'agit de données personnelles. On ne peut pas déposer une liste avec nos dossiers et que cela se retrouve entre les mains d'une partie. Parce que quand on a deux parties, avec les services des domaines qui doivent administrer, s'il y a collision ou on soupçonne une collision entre ces des agents de ce service et cette famille-là, ça veut dire que il y a parti pris, manifestement. On est déterminé comme on a toujours été. Regardez ces populations. Elles sont là, le visage grave. Parce qu'aujourd'hui, nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Nous nous battons demain pour nos enfants. Aujourd'hui, ces faux documents qu'on peut qualifier de faux en écriture publique, ces documents-là, si on ne les annule pas, si le président de la République ne prend pas les mesures hardies pour mettre un terme à ça, ce pays, il va brûler. Et c'est l'administration qui va en être l'auteur. Nous avons brûlé. Cette brûler administration bi askan bi motax ñu donc lolu nañ ko xam te pouvoir bi aussi askan bi moko fa ne moi, fi indi domaine national Abdou Diouf dina dem au niveau des domaines nous n'indexons pas l'acteur receveur des domaines nous parlons de de son prédécesseur parce que cet actuel euh, receveur nous l'avons rencontré nous l'avons rencontré pour lui exposer la situation